bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette euh, édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine sur euh, le miroir de la femme. Cela dit, ouverture à l'hôtel Bravia de Niamey d'un séminaire de formation des cadres civils et militaires sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Et c'est le Centre national d'études stratégiques et de sécurité qu'il a organisé en partenariat avec la République fédérale allemande. Ralia Sami, Ibrahim Kantama. C'est pour faire face aux différents défis sécuritaires et au regard de la situation actuelle de la région du Sahel, caractérisée par des foyers de tension, que le Centre d'études stratégiques et de sécurité CNES a jugé utile de rassembler la société civile, les hauts cadres des militaires et les responsables des médias pour un renforcement de capacités en matière de gouvernance et de réforme du secteur de la sécurité. La GRSS est devenu un élément essentiel des stratégies de prévention et de résolution des conflits, au même titre que les approches de stabilisation visant à remédier aux causes profondes de déstabilisation des pays fragiles. Le DECAF a donc pour mission d'améliorer la sécurité des personnes et des États à travers des réformes inclusives et participatives fondées sur les normes internationales et les bonnes pratiques qui cadrent parfaitement avec le respect scrupuleux des principes de bonne gouvernance et de l'état de droit. Le DECAF soutient le renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux du secteur de la sécurité ainsi que les organisations intergouvernementales en vue de faciliter le processus de réforme du secteur de la sécurité. Et dans l'accomplissement de cette mission, le DECAF est guidé par les principes de neutralité, d'impartialité, d'appropriation locale, de participation inclusive et d'équité du genre la République fédérale d'Allemagne, principal partenaire de la mise en œuvre de cette stratégie et de concept de sécurité et de la bonne gouvernance, réaffirme son engagement dans le cadre de la préservation de l'intégrité du territoire nigérien. Au regard de la situation sécuritaire qui reste difficile, la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité est une priorité urgente. La communauté internationale et la République fédérale d'Allemagne en particulier reconnaissent que le Niger a déjà entrepris plusieurs, projets visant la transformation et le développement de son secteur de la sécurité. Ceci se traduit par l'adoption de différentes stratégies et la prise de, plusieurs mesures structurantes en matière de défense et de sécurité nationale. Dans le même temps, il reste un long chemin à parcourir. La création du Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES, qui a parmi ses mandats l'élaboration de la politique nationale de sécurité et de défense du Niger, est une preuve de cette volonté politique de continuer à s'engager dans la transformation et le développement du secteur de la sécurité au Niger. En ouvrant les travaux de ce séminaire, le directeur du Centre national d'études stratégiques et de sécurité est revenu sur les objectifs assignés à cette formation. Le Niger, en conformité avec les cadres d'orientation supranationaux en matière de RSS auxquels il a souscrit, et pour faire face aux nombreux défis sécuritaires a élaboré différents documents de politique et de stratégie et pris plusieurs mesures en vue d'améliorer la sécurité des personnes, des biens et de préserver l'intégrité du territoire national. Il s'agit des deux PDS, de la politique nationale des frontières, de la stratégie nationale de sécurité intérieure, de la stratégie nationale de biosécurité, pour ne citer que quelques-unes. Cependant, tout comme de nombreux pays engagés dans un processus de réforme du secteur de la sécurité, les défis suivants nous restent à relever pour pérenniser les acquis et parvenir à une sécurité humaine durable. Il s'agit entre autres de la coordination des appuis des différents partenaires, de l'inclusion des acteurs non étatiques à toutes les phases de la RSS et de l'adaptation du concept de RSS à notre contexte et à nos besoins spécifiques de sécurité. Chers participants, au regard de l'importance de cette formation et de la qualité de son contenu, je vous demande d'être ponctuel, assidu et actif pour en tirer le maximum de connaissances et aussi partager vos expériences respectives trois jours durant. Les participants à cette formation seront ainsi mieux outillés sur les concepts de gouvernance et de sécurité, toute chose qui permettra de garantir dans notre pays la sécurité des citoyens et asseoir une justice responsable. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a réceptionné jeudi dernier au siège de l'ARCEP des équipements de contrôle de cette radio et de contrôle de la qualité des services des réseaux mobiles. D'autres explications avec Ralia Samy, Ibrahim Kantama. C'est dans le souci d'améliorer la qualité de ces services que l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ACEP a été dotée de ces nouveaux équipements de contrôle de dernière génération acquis sur fonds propres de l'État. Ces matériels et équipements ont ainsi fait l'objet d'une présentation au ministre des Postes et des Télécommunications. Celui-ci ne cache pas sa joie suite à l'acquisition de ces équipements. Le gouvernement a bien voulu leur confier et celle d'assurer la régulation euh, de ce secteur euh, particulièrement important euh, à cette ère du, euh, du numérique. nous pensons que c'est un matériel de très haute qualité qui a été acquis d'un coût de l'ordre de 2 milliards 600 millions. nous avons compte tenu des de difficultés que chacun, chaque citoyen ressent euh, par rapport à la qualité de service et, les différentes euh, tentatives d'utilisation des spectres radioélectriques que nous appelons les fréquences, eh bien, le gouvernement avait euh, pris l'option de se doter de matériel assez sophistiqué à travers son autorité de régulation pour permettre effectivement de freiner et de faire en sorte que les, citoyens nigériens puissent désormais euh, être servis à ce convenablement euh, par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc je pense que c'est une étape particulièrement importante euh, pour ce secteur, euh, pour la, régulation, l'autorité de régulation, d'acquérir des matériels modernes de dernière génération en vue effectivement de suivre euh, l'utilisation des fréquences et aussi d'assurer et de détecter toutes les défaillances euh, qui font en sorte que euh, l'accès de la qualité des services au Niger, tant du point de vue Internet que du point de vue téléphone, euh, puissent être effectivement améliorés et que des Nigériens puissent, euh, soient satisfaits des services que euh, leur rend non seulement l'autorité de régulation, mais aussi les opérateurs de téléphonie, puisque dans leur cahier de charge il est bien inscrit que la qualité de services est quand même quelque chose d'essentiel. Euh, c'est un point sur lequel le gouvernement euh, avait euh, bien voulu inscrire comme obligation de ses opérateurs. Euh, euh, pour, qu'ils puissent servir les Nigériens euh, avec des services de qualité. Au directeur des radios et de la communication de l'ARCEP de donner plus d'explications sur le fonctionnement de ces équipements. Il y a plusieurs types d'utilisation des fréquences. Donc de part, la réglementation au Niger, c'est l'autorité de régulation qui est chargée pour le compte de l'État de la gestion du spectre de fréquences. Tout, tout le spectre. Donc le véhicule est équipé d'un euh, certain nombre de matériels, dont des récepteurs de fréquence, euh, des antennes de réception, euh, donc un GPS de précision et le moyen de communication. Parce que les équipements, quand ils seront en déplacement, ils seront toujours reliés au centre de contrôle qui sera installé ici au niveau de l'ARCEP. Donc au fur et à mesure qu'il font les mesures, ces mesures-là peuvent être rapatriées au niveau du centre de contrôle pour déjà comparer avec la base de données des utilisations qu'on a, pour voir est-ce que les différents utilisateurs du spectre sont en train de respecter les termes de leur assignation, donc est-ce qu'ils sont en train de respecter la réglementation en la matière, et aussi pour voir est-ce qu'il n'y a pas des émissions illicites donc des gens qui ne sont pas autorisés mais qui sont en train de mettre. vous savez, ce genre de situation est susceptible de provoquer des gènes, qu'on appelle communément brouillage, aux autres utilisateurs légalement autorisés. Notons que l'acquisition de ces matériels et équipements constitue une étape décisive pour l'ARCEP dans le cadre de l'amélioration de ses services. D'autres services et équipements de contrôle sont également en cours d'acquisition pour une meilleure réglementation du secteur de la poste et des télécommunications. La salle ténérée de l'hôtel Bravia a servi de cadre jeudi dernier à la cérémonie officielle de présentation du document de stratégie nationale de régulation des communications électroniques et de la poste. Et c'est le ministre des postes, des télécommunications et de l'économie numérique qui a présidé la cérémonie. Retrouvons une fois de plus Ralia Sami, cette fois-ci sur les images de Abdelmouni Abraman. À travers cette cérémonie, c'est une nouvelle stratégie de régulation des communications électroniques et de la poste qui est officiellement présentée et validée en tant que cadre de référence pour l'ARCEP. Après donc l'expiration d'un premier plan stratégique en 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP n'a ménagé aucun fort pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui cadre avec les exigences du moment. L'élaboration d'une stratégie de régulation en tant que cadre de référence pour l'ARCEP est consacrée par l'article 23, alinéa 1 de la loi numéro 2018-47 du 12 juillet 2018, qui dispose que le Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste et euh, l'organe délibérant de l'ARCEP. À ce titre, il exerce les attributions suivantes de définir et proposer au gouvernement la stratégie de régulation de l'ARCEP. Au vu de ce qui précède, il est donc une obligation pour l'ARCEP de se doter d'une stratégie de régulation ainsi que d'un plan stratégique assorti d'un plan d'action et d'une programmation budgétaire. Sachant que le premier plan stratégique a débuté en 2014 et s'est achevé en fin 2018, coïncidant ainsi avec la création de l'ARCEP, il devient impératif de finaliser les diagnostics de réalisation de l'ancienne ARTP pour arriver à bâtir une nouvelle stratégie de régulation et un nouveau plan stratégique qui tiendrait compte également des nouvelles exigences tant nationales qu'internationales. Prenant la parole à son tour, le ministre des Postes des Télécommunications est revenu sur l'importance de l'élaboration d'une telle stratégie. L'évolution vers l'économie numérique soulève des préoccupations majeures en termes de régulation. Elle remet en question le champ de la mission du régulateur et sa pratique de régulation. Les grands défis à relever sont relatifs à la gestion du spectre, la qualité du service, le partage des infrastructures, le service et l'accès universel, la protection des données à caractère personnel, les nouvelles avancées technologiques, comme les plateformes numériques, l'Internet des objets, les réseaux 5G, l'informatique à nuage, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. De même, la croissance fulgurante des activités postales grâce à l'émergence du commerce électronique pousse le régulateur à adopter sa stratégie et son cadre de régulation. C'est pourquoi vous vous êtes inscrit, Madame, dans l'adoption de cette stratégie de régulation plus ambitieuse afin d'exploiter l'immense potentiel de l'économie numérique et tirer pleinement parti de la transformation numérique. Il faut noter que ce document de stratégie nationale de la régulation des communications électroniques et de la poste, après cette présentation, sera transmis au gouvernement pour approbation. Une fois approuvé, cette stratégie permettra de relever les différents défis du secteur des communications électroniques et de la poste grâce à des nouvelles technologies avancées. Autre aspect de cette euh, rétroactualité, le chef euh, de file de l'opposition, Hamadou était mardi dernier face euh, à la presse. Il a tenu à répondre à certaines questions des journalistes à travers cette sortie médiatique et a affirmé sa volonté à participer aux élections présidentielles avec déjà un programme en main, suivant son intervention. L'idée de base des actions que j'envisage de mettre en œuvre si les Nigériens me font confiance et me disent c'est de réformer entièrement notre système. Aucun pan du système de l'État nigérien ne fonctionne dans le sens de l'intérêt général du Niger. Ce sont des dispositions épaisses, mal conçues, qui sont en train de créer tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Vous croyez réellement que l'administration telle qu'elle fonctionne, telle que les recrutements se font, telle que eh, la gestion des dossiers et des affaires de l'État se déroule, sont conformes à la vision vertueuse que l'on veut d'une gouvernance utile pour un pays. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des détails. Vous vivez comme moi la manière dont eh, cette gestion est faite. Il faut changer cela. Vous croyez vraiment que notre économie produit des richesses Quelle est la richesse que les Nigériens produisent Vous allez me dire, on a du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas vous qui le produisez, ce sont les Chinois. Et les Chinois ont décidé de garder le pétrole pour eux. Regardez dans notre budget quel est l'impact du pétrole sur le budget national du Niger. Demandez aux députés. Le pétrole, nous en produisons mais nous n'en bénéficions pas, ni du point de vue financier, ni du point de vue de la vie sociale normale. Pour un pays qui produit du pétrole, <laughs> la moindre des choses, c'est que vous ayez un litre de pétrole qui vous permette d'avoir de gros cylindrés. Mais au Niger, nous sommes plus chers que les pays qui ne produisent pas. Le litre coûte plus cher que les pays qui ne produisent pas de pétrole. Donc sur le plan social même, ça n'a aucun impact. Donc nous avons du pétrole, pourquoi Juste pour dire que c'est sorti du sous-sol du Niger. Mais l'argent généré par le pétrole, lui, il est où Ça c'est une question. Si vous ne réformez pas l'administration pour remettre les choses en place et mettre une administration qui va travailler de manière vertueuse à avoir des résultats positifs pour le pays, le Niger n'ira nulle part. De l'autre côté, notre économie. Notre économie ne fonctionne pas du tout. L'agriculture est restée telle qu'elle est. Et rien n'a changé. J'ai l'intention de changer cela. J'ai l'intention de faire en sorte que l'agriculture nigérienne non seulement soit autosuffisante, mais procure des revenus aux paysans. Parce que si les paysans qui représentent 80% de la population n'ont pas de revenus, Comment voulez-vous faire de l'industrialisation C'est quand les gens achètent les produits fabriqués que l'économie peut tourner, l'industrie peut fonctionner. Mais en ce moment, les paysans, ils ont quel revenu Ils vivent de disettes et de L'assistance internationale, les ONG qui se baladent pour donner des sacs de je ne sais pas moi. Vous croyez vraiment que pour un pays, c'est dit si nous sommes derniers de la planète il faut se demander pourquoi. C'est simplement parce que nous ne produisons aucune richesse au plan interne. L'agriculture ne nous permet pas de produire assez de richesses pour euh, rivaliser avec qui que ce soit. Ouverture en début de semaine euh, de la session ordinaire au titre du mois de septembre 2020 du Conseil supérieur euh, de la communication. La session s'est donc déroulée dans la salle de réunion de la dite institution. Zainab Gagra commente les images de nos confrères de la télévision en famille. C'était dans le but d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique, dans le respect de la loi, que le Conseil supérieur de la communication se réunit en session ordinaire, dont le projet d'ordre du jour tourne autour de cinq grands points. Un examen adoption du procès verbal de la session du mois d'août 2020. Deux, informations sur le CC. 3. Examen adoption des textes réglementant l'accès des partis politiques. commandes des partis politiques et candidats indépendants aux médias publics et privés aux élections locales, législatives et présidentielles premier et second tour. 4. Examen adoption des travaux de commission d'instruction. 5. Questions diverses. Mesdames et messieurs les conseillers, notre pays est résolument engagé dans son cycle électoral 2020-2021 depuis plus d'un an. Le Conseil supérieur de la communication comme vous le savez, est, une des institutions qui joue un rôle important, notamment euh, dans l'accès des candidats des partis politiques et des groupements des partis politiques aux médias publics et privés. Au cours des élections générales de 2015-2016, en prenant en compte les insuffisances relevées dans l'encadrement juridique et institutionnel qui régit notre domaine de compétences. Des recommandations pertinentes ont été faites pour améliorer le cadre législatif pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Au total, huit projets de texte régissant l'accès des, euh, candidats aux partis politiques et groupements des partis politiques aux médias publics et privés en période électorale ont été élaborés. Conformément à la démarche inclusive qui a été toujours la nôtre, nous avons soumis ces textes aux responsables des médias publics et privés, ainsi qu'aux responsables des partis politiques que nous avions rencontrés respectivement le vendredi 11 septembre et le mercredi 16 septembre dernier, en vue de recueillir leurs observations et leurs avis. L'objectif visé par le CSC à, travers cette démarche était de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes à travers une régulation équitable et indépendante des médias en période électorale dans un climat politique social apaisé. La formation des journalistes et du personnel administratif et technique du CSC, la publication des textes législatifs et réglementaires sur la presse et la communication au Niger sont d'une importance capitale. La particularité de cette session, c'est qu'elle permettra d'adopter des textes réglementant les activités des journalistes en cette période préélectorale. Les agents du Haut Commissariat à la modernisation de l'État sont venus en aide aux agents de santé de l'hôpital Amirou ex-hôpital Lamordé, victime des inondations à travers des vivres. Ralia Sami et Abdul Abraman nous en disent davantage. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les meilleurs amis, a-t-on coutume de dire. C'est en ce sens que les agents du Haut Commissariat à la modernisation de l'État HCME ont choisi de venir en aide en ce moment crucial à leurs camarades des agents de santé de l'hôpital Amiroudjalo, ex-hôpital Lamordier, victime du sinistre des inondations, et qui, malgré tout, ont assuré la continuité du service public au niveau de l'hôpital on a constaté que depuis que les inondations ont attaqué nos, parents de, et la communauté de Harubanda, que le service public n'a pas été interrompu au niveau de votre hôpital. Donc en fait, c'est ça qui nous a interpellés. Parce que nous, au commissariat de la modernisation de l'État, on a dit moderniser l'État pour un service public de qualité. Et la première qualité d'un service public, c'est sa, sa continuité. Il ne faut pas qu'il soit discontinu. Donc euh, nos camarades ou nos collègues de, votre hôpital ont fait tous les efforts qu'il faut pour ne pas interrompre le service public, bien que en arrière ils sont ou ils, sont victimes de sinistres chez eux, dans leur famille. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que euh, la seule façon de faire, peut-être, c'est de venir leur dire merci. Mais comme on ne peut pas venir vous dire merci seulement avec euh, un papier A4 ou les mains vides, donc on a fait une petite cotisation et c'est le résultat de cette cotisation que nous avons, que vous avez là. On a eu quelques, quelques cartons de vivres et quelques litres d'huile qu'on a ici l'honneur de, vous remettre au nom de, de tout le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. En réceptionnant ce don, la directrice générale de l'hôpital a rassuré que cette aide ira droit aux bénéficiaires, tout en remerciant les agents du Haut Commissariat pour cet appui. Je vous dis encore merci. Et au nom du bénéficiaire, de tous les bénéficiaires et au nom du personnel de tout l'hôpital Amir Kagalo, on vous adresse tous nos remerciements et que ce don dont vous avez fait va droit au cœur et ça va intéresser tous les bénéficiaires. Notons que c'est pour la deuxième fois que les agents du Haut Commissariat de l'État interviennent en aide aux sinistrés de cet hôpital. Et c'est certes une initiative salutaire, car ces moments d'inondation constituent les meilleurs moments pour des actions de solidarité et d'entraide en faveur des sinistrés. Au quartier que les plateaux de Niamey, certains espaces euh, publics devant servir à des services publics euh, importants sont menacés devant Les habitants de ce quartier dénoncent cet état de fait dans ce reportage de Rali Assami Ibrahim Kantama. Après avoir soulevé tout un tollé, ce terrain public destiné dans la cartographie du quartier le Plateau a servi de centre de santé intégré pour les populations du quartier. Continue à être exploité par un particulier. Mais les habitants du quartier ne comptent pas laisser faire car, disent-ils, c'est le seul espace public qui leur reste. Ils tendent avec impatience l'implication des autorités dans cette affaire. À la place de piquet, il y a des gens, des individus mal intentionnés qui sont venus, ils veulent morceler la place publique. Vraiment, donc c'était réservé ce euh, euh, CSI. Vraiment, on en a besoin, vraiment, on a ce problème là on a amené notre contribution aux autorités, vraiment qu'ils viennent nous aider. Sinon, vraiment, c'est la seule place publique qui nous reste dans tout le quartier des cannes plateau On a informé les autorités jusqu'à la commune, jusqu'au gouvernement. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé aucune autorité qui est venue se placer pour nous faire un soutien. Fils aucun des autorités n'a qu'à venir vraiment nous soutenir. Sinon, vraiment, la population du quartier, ils sont menacés, ils sont conscients, ils sont soudés, ils sont une seule homme. Vraiment, ils font de leur mieux. Sinon, vraiment, si jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité qui est venue sur la place pour nous aider. Vraiment. Puisque c'est nous, les gens du quartier, qui sont cotisés pour faire une plaque. Ils ont mis la plaque. Avant-hier, il y a des individus qui sont venus enlever ça, casser ça. On ne sait pas c'est pour cela qu'on tient aux autorités qu'ils vont nous aider. Si ce n'est pas ça, vraiment, si toute personne convient, qu'on trouve la place, vraiment, il sera, on va, on va faire quelque chose de mal. Fils vraiment, les gens sont soudés maintenant, ils sont déterminés. Toutes les façons qu'on voit sur le terrain, vraiment, ça, ça va lui coûter cher puisque nous sommes déchets, nous tous nous sommes des citoyens, donc on a tous les droits. Donc l'État il est garanti de nous souverainer notre place. Vraiment, il faut que vraiment les autorités, jusqu'à présent, ça fait la deuxième fois qu'on appelle autorités. Jusqu'à présent, il n'y a aucune autorité qui soit venue sur la place pour nous dire vraiment je suis avec vous. Ou bien même placer un piquet pour dire que vraiment c'est la place publique. Si c'est pas sur le plan même que nous, les gens du quartier, le plan du quartier qu'on c'est une place publique ici. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas aucune, aucune autorité qui est venue nous soutenir, ou bien placer un piquet, ou bien un panneau, ou bien dire que vraiment la place là c'est public. Donc vraiment jusqu'à présent, elle est dans le, dans le flou. En tout cas, les habitants de ces quartiers entendent défendre ces terrains pour qu'ils puissent véritablement leurs êtres utiles à l'avenir. Mais ils gardent par ailleurs l'espoir de l'implication des autorités pour mettre fin à ces problèmes. Après que les plateaux, la même polémique autour d'un espace public a été soulevée à Bobiel, là également, ce sont les riverains qui ont tiré la sonnette d'alarme pour le sauvetage d'un terrain public exploité par un individu. Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Ici, au quartier Bobiel, c'est ce terrain public situé en plein air du quartier qui est exploité depuis un certain moment par un particulier. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder la vase est intervenue lorsque ce dernier a décidé de construire une digue pour contrecarrer les eaux qui menacent ce terrain qu'il utilise à ses fins propres d'une manière illégale. En tout cas, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'endroit de la ville de Niamey. Un cri de cœur qui nous touche euh, à un point où euh, nous sommes à l'extrême à l'extrême patience. vous voyez de vous-même, c'est une occupation anarchique d'un domaine public communément appelé espace public. Cet espace public est occupé par un élève un éleveur de vaches, d'une trentaine de vaches et autres animaux tels que les, les, les, caprins et les autres. Donc, d'abord, nous voulons un premier aspect. Les enfants, comment on appelle ça, nos enfants sont exposés. Exposés du moment où quand les vaches, quand les vaches viennent, on est obligé de placer un enfant ou euh, la mère ou le père est obligé de sortir pour pouvoir prendre ton enfant et le, euh, le mettre en sécurité. On n'est pas en sécurité parce que rien qu'il y a à peine 8 mois, un enfant s'est fait écorner par les vaches. Deuxième aspect, on n'a pas le droit. Quand hein, je dis on n'a pas le droit, c'est-à-dire que nous qui usons peut-être d'un pouvoir, euh, entre parenthèses, d'autres n'ont pas les mêmes, euh, n'ont pas cette même, euh, comment on appelle, autorité on ne peut pas planter des arbres. Voyez de vous-même, à peine, si ce n'est pas chez moi, euh, personne ne peut planter. Quand tu plantes un arbre, dès qu'il vient euh, à, euh, comme à, la, descente ou à la, quand, quand, il quitte avec les vaches, ils sont obligés de prendre. les, vaches, comment on appelle ça, attaquent les arbres. Donc vous voyez, c'est ce, ce, deuxième aspect. Troisième aspect, s'agissant de l'hygiène il n'y a vraiment pas d'hygiène ni euh, appelé à <laughs> assainissement. Vraiment, dans ce cas, vous voyez de vous, même rien que la pluie d'hier, il a eu affaire en faisant l'occupation, en faisant, il a fait, une digue. Cette digue bloque le passage de l'eau. Hier, nous étions obligés de faire pomper l'eau, utiliser les pompes pour faire sortir l'eau euh, de, la concession des, différents voisins. En dehors de ça, et à la fin, il prend l'eau, puisqu'il n'a pas les eaux usées, pour reverser encore de l'eau qui a été déjà pompée. Donc vous voyez un peu le calvaire qu'on vit. Un autre aspect euh, qui nous inquiète, qui est alarmant, c'est celui de l'installation des bornes des banques, des agents de la mairie fictifs sont venus parce que rien que ce matin il y a eu un bruit très houleux où ça a failli nous amener euh, on ne sait où. Ils sont venus, ils ont placé des banques la semaine dernière. Moi personnellement je les ai approchés pour savoir ils sont des agents de la mairie de quelle commune. Ils n'ont pas voulu se présenter, mais ils ont des gilets de la, euh, on appelle ça, de la ville de Niamey. Ils ont placé des banques, J'ai interrogé des différentes mairies. Ils disent non. Quand une mairie met des banques le monsieur à qui on donne, normalement, il doit présenter un acte de cession ou si c'est un bail ou autre chose. On lui a demandé, il n'a pas ce, document. Donc le monsieur m'a dit d'enlever, il faut carrément enlever les, les, les Comme ça, on saura qui lui a donné cette autorisation La question que les riverains se posent ici est celle de savoir qui donne autorisation à cette personne pour l'exploitation de ce terrain public. Cette personne a-t-elle le droit de mettre en péril la vie des autres pour ses profits L'un dans l'autre, les habitants de ce quartier n'entendent pas le laisser faire et sont engagés à voir clair dans cette situation. Autre aspect de cette rétrospective, les inondations enregistrées au Niger ont engendré d'énormes dégâts, surtout sur le plan économique. Et en ce qui concerne les rizières, les dégâts sont énormes. Je vous propose de suivre les étapes de visite de la FICOPRI au niveau de Karekourou et Namardogongo avec euh, Ralia Sami, Abdelmoumouni Abdraman. Dans le cadre de sa visite entamée sur les rizières inondées pour constater de visu l'état de ces inondations, la FICOPI s'est rendue dans plusieurs villages environnants. Ici, à première vue, on aurait cru que c'est seulement l'eau du fleuve qui s'étend de la sorte, mais en dessous se trouvent des rizières dont le travail a été rendu possible sur la base d'un prêt. Et c'est le grand goulot d'étranglement pour ces riziculteurs qui ne savent plus à quel sens se vouer. lallai mata wa ne bala ne runa sai kanka idga lallai assalamu alaikum kanka ga ga di duka bin ka ni ko no kata ko do mo na gun amma ba de bala ko ka ware kayan go ruggabon kwari dino imeda mera kinin zari igo rugga digga ibon ente gidi halin gai gwada irko binde akarte no tewka ba lallai bore kan gogo godu gobo yamde campagne e, ne kan nit faymo essesora hectare fokul edwa bon 6,2 danga elgi mil mu kan kaydiora elgi mil tontori tegu ba ba hainu irko hinno bai hasaro kanno ate za bore se za irwan almane se zalabo musa kwani eh entaru zongin kin dogo entaru zongin ka di wakin da ga ngino itilam lalle haikan yadda ramu a sika toni waita cikin da iya kan angare kan idan ara ayan mu meda meda kul garawni ko yi samu so man to ba so wono kan ino kampanya woni go he mat ni te ga go digga sai digga bun ba kuyo a syndical kilo egga kilo wa kai fono sara digga imne digga complete a akun sara an ga hay kul kade kade ga sine gwamnan to do dubure kan ka bai zibi department do ilgo keke ga sine kan nan imdu ba kampanyo kan ka te zamoniya à Banikassara. Les rizières de la coopérative de Saga également ont fortement été englouties par l'eau. Sintina bena haro aberi alala har kan kan kwarara kulur gara na gado. Halonga kaso isa mo yi ga to koi ni ga wodi mo ga bena haro kubai. Kan agona gona ga te maso maso borai so bai ga guna nan kan gona ganin ga bugu borai go so bai ga dabu nan kan borai gun ga borai so bai ga dabu. Nga ti kan kokor bando wono woka kan mongo borai shewo. wala gwamnati wakan ke wukir ga tonan da gada daga ti am gungudi zahun kuna am soro rugai sai eh, labaira nan ka ga du semen su ga kan daga shi maga kan da dumyan wato igu duwa ga duma gwamnati mu haikul kan berin da alfarai kan giti da rangai dini kare ari shi bai da idin kuri am kan badan borai sai da koi ne digo mo koi ne digo irgo ga ha gwamnati ga am gun da ka ga sambu L'inondation de cette année a engendré des dégâts importants au niveau des rizières. Le constat sur le terrain est tout simplement amer. Les riziculteurs sont découragés, mais gardent néanmoins l'espoir d'un lendemain meilleur. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a rendu public euh, au cours de cette semaine une déclaration de presse. Celle-ci est relative à l'analyse de la situation socio-académique qui prévaut à l'université Abdelmoumouni de Niamey. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire général de l'UNO. Il vous souviendra quand date du lundi 31 août 2020, le comité exécutif de l'ENUN a rendu publique une déclaration de presse à travers laquelle il a interpellé le gouvernement et posé un certain nombre de revendications pour lesquelles il a donné à des différentes discussions ayant eu lieu entre le gouvernement et le comité exécutif de l'ENUN. Le gouvernement s'est engagé autour des points suivants. L'équipement de l'amphithéâtre 1000 places de la FAST, la construction d'un amphithéâtre de 1000 places à la faculté des lettres et sciences humaines, la construction d'un bâtiment de 600 lits, la construction d'une boulangerie et d'un marché moderne sur le campus, la réfection des bâtiments endommagés par les inondations, la mise en stage dans les prochains jours de nos camarades de mine et pétrole, le rehaussement de l'enveloppe allouée chaque semaine à la NAB afin d'accélérer le paiement des bourses, l'accélération du traitement des dossiers de l'aide sociale et son, paiement dans un bref délai. L'électrification du campus et de la voie menant au CHU. A cet effet, le comité exécutif de l'ENUN, face à la situation académique et sociale délétère que vivent les étudiants à l'université Abdoumoune de Niamey, demande au gouvernement d'accélérer l'exécution de l'ensemble de ses engagements. Prend en témoin l'opinion publique nationale et internationale de la situation qui prévaut au sein de l'université, ainsi que des démarches responsables et graduelles qu'avait entrepris le comité exécutif de l'ENUN afin qu'une solution urgente de la part du gouvernement soit trouvée. Mais en garde le gouvernement qu'en cas de non-respect de ses engagements, le comité exécutif passera à la vitesse. L'association des professionnels africains de la communication APAC Niger, en partenariat avec euh, l'Observatoire Femmes Médias, euh, organise euh, à la Maison de la Presse une réunion nationale sur le cadre légal des médias confessionnels et la régulation du discours religieux sur les femmes dans les médias. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du représentant représentant de l'Observatoire Femmes Médias à l'occasion. C'est dans le cadre de la gestion de cette pandémie que le Conseil supérieur de la communication a réalisé un Media Watch et a abouti à certains résultats. C'est donc à l'effet de réfléchir sur les résultats de ces médias Watch que se tient cette présente journée qu'organise l'Association des professionnels africains de la communication à APAC Niger. La seconde vague annoncée dans plusieurs prédictions scientifiques s'annonce déferlante, faisant courir les risques d'un nouveau confinement, synonyme d'effondrement de l'économie mondiale et par conséquent de toutes les valeurs sur lesquelles sont bâties les relations entre les hommes et les nations. Voilà décrit succinctement le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui pour apprécier ensemble non seulement la couverture de l'information liée à la pandémie de la COVID-19, mais également les traitements des questions relatives aux femmes dans, cette période. À l'occasion du dialogue de haut niveau en ligne sur la liberté de la presse et la lutte contre la désinformation dans la COVID-19, le 4 mai dernier, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, déclarait, je cite, l'antidote à la pandémie de désinformation sur la COVID-19, c'est l'information fondée sur les faits présentés par des médias libres et indépendants. Fin de citation. C'est exactement l'objet de notre rencontre de ce jour amener les médias à assurer la couverture de l'information sur la COVID-19 avec efficacité et efficience dans l'intérêt de tous. Les médias à travers ces rapports, a permis d'avoir une photographie nationale de la façon dont les médias couvrent la COVID-19. Ce rapport sera utilisé comme outil de sensibilisation des acteurs médiatiques, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes. Les populations doivent être conscientes du danger en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires, car le retour à la normale est loin d'être garanti. Dans cette crise sanitaire, aux conséquences désastreuses que connaît le monde depuis plusieurs mois, le rôle des médias est crucial. Avec leur pouvoir de formater les opinions, les médias sont capables de changer les perceptions des populations dans un sens positif comme dans un sens négatif. Ce pouvoir de double tranchant appelle de la part des journalistes un sens élevé de responsabilité, en évitant notamment les fake news, la stigmatisation et la discrimination. Dans ce contexte de crise sanitaire, les journalistes doivent plutôt, par leur travail, amener les populations à prendre conscience du danger en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 continue d'imposer son rythme à l'humanité tout entière, car aucun secteur n'est épargné. Le COVID-19 est une maladie qui tue, elle n'a ni médicaments ni vaccins, respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Nous bouclons cette rétroactualité de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire avec euh, Ralia Sami. Très bonne réception, bonsoir et bon début de semaine présidentielle, l'opposant Amadou, investi candidat par le modern Faloumana, a constitué un des titres du journal Le Nouveau Républicain. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été de nouveau investi candidat du modern Faloumana le samedi 19 septembre à la suite euh, de la reprise du troisième congrès ordinaire du parti. Malgré sa condamnation judiciaire dans l'affaire dite des bébés importés, Hama Amadou, qui est apparu comme le vrai leader de la nouvelle coalition pour l'alternance politique, CAP 2021, l'alliance électorale lancée récemment par une vingtaine de partis de l'opposition a réaffirmé son ambition de déposer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Il y avait certains enjeux de taille le samedi 19 septembre à Dosso, 140 km au sud de Niamey, où le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Falumana Africa reprenait les assises de sa conférence nationale et les travaux de son troisième congrès ordinaire à après une longue et âpre bataille judiciaire suite à la fronde interne menée par l'ancien président par intérim Oumarou Nouma. Cependant, le bureau politique du principal parti de l'opposition politique a tout balisé et fort de la décision de la justice qui lui a été favorable en première instance et confirmée en appel la veille du Congrès. Les choses sont passées comme une lettre à la poste. Le Congrès a entériné les décisions prises vendredi 18 septembre lors de la conférence nationale qui s'est déroulée au Centre culturel Oumarou Ganda de Niamey puis celle du samedi matin à Dosso. Les frondes ont été virés du parti. Un nouveau président a été élu à la personne de Taïrou Seyroudi Parkvin. Et pour l'essentiel, le journal nous apprend que les membres du bureau politique national en exercice ont été reconduits, mis à part les exclus du parti. Le parti s'est même doté d'une autorité morale, nous apprend toujours le confrère pour qui son leader Hamamadou, qui a été par la suite investi candidat du parti pour la prochaine élection présidentielle le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. Leader incontesté de l'opposition, Amadou, candidat de Lumana. L'événement du jour a été donc l'investiture du candidat du parti qui n'est autre que son principal initiateur, l'opposant Hamamadou, qui a fait spécialement le déplacement pour l'occasion et a, été triomphalement accueilli dans une arène de lutte traditionnelle, sans madarani, pleine à craquer. Au journal, l'éclosion de rapporter dans ce titre Kadoso, L'horloge Lumana sonne Hama Amadou. Le modèle Falumana Africa rebondit sur la scène politique le samedi 19 septembre 2020 à Dosso. Le pays dans son ensemble a vécu selon le journal au rythme de cet événement politique de haute portée. Sur les réseaux sociaux, le troisième congrès ordinaire de Lumana Africa a focalisé les attentions, ravissant la vedette aux assises du MPR Jamouria, pourtant tenu dans la capitale à Dosso. Mille infrastructures n'avaient la capacité d'accueillir les Lumanistes. Autant la salle de réunion du gouvernorat n'a pu contenir les délégués de la conférence nationale, autant le ventre de la reine des Jeux Darani a vomi le trop plein des militants, sympathisants et partisans de Hamma Amadou. À l'arrivée de ce dernier, c'était tout simplement extraordinaire, l'enthousiasme, l'engouement, la joie et l'excitation des humanistes. Il n'y a pas de doute, selon le journal, le modèle Falumana a tenu son congrès ordinaire dans des circonstances exceptionnelles puis le monde d'aujourd'hui lui rapporte à Saül que Hama Amadou défie Mohamed Bazoum dans un combat loyal. Hama Amadou n'a pas tremblé pour affirmer qu'il battrait le président et candidat du PNDS à plate couture si les élections sont organisées sans volonté d'usurper les suffrages des électeurs. Mohamed Bazoum est mis au pied du mur face à un défi qui touche à la fois son amour propre et à sa crédibilité de candidat plein de prétentions. Le défi que Hama vient de lui lancer a toutefois, selon le confrère, peu de chances d'être entendu et relevé par l'intéressé. Pour cause, explique Soumana Sanda, Hama Amadou ne boxe pas dans la même catégorie que Mohamed Bazoum sur le plan politique. Dans une élection crédible, précise-t-il, Hama Amadou fera sans doute dix fois le score électoral de Mohamed Bazoum. Le journal écrit plus loin qu'aujourd'hui, c'est Hama Amadou qui défie Mohamed Bazoum dans un combat loyal, chose que les observateurs avisés disent impossible dans le contexte électoral actuel avec une commission électorale, une cour constitutionnelle, une direction du fichier électoral totalement acquise au PNDS Tareya. Parlant toujours du modèle Faloumana Africa, le journal La Griffe se demande à sa si le modèle Faloumana Africa a définitivement tourné la page de Noma Oumarou. Malgré les deux décisions de justice défavorables et sa suspension prononcée lors de la conférence nationale du vendredi, M. Noma Oumarou s'est tout de même rendu le samedi à Dosso où il a organisé une autre conférence nationale et un congrès en compagnie de ses partisans, comme ce fut le cas en 2019 lorsque le bureau politique du Modern Falouman Africa a organisé un congrès à Niamey et que Noma a organisé un autre à Dosso. Cette fois-ci encore, deux procès verbaux de congrès risquent d'être déposés au niveau du ministère de l'Intérieur au nom du même parti, Seulement, Beaucoup d'observateurs pensent que Noma Oumarou a très peu de chances de faire annuler le congrès du bureau politique parce que ce congrès s'est tenu au lieu officiellement notifié au ministère de l'Intérieur à Dosso. Et du fait, aussi des deux décisions de justice qui l'ont débouté. Les mêmes observateurs estiment que le congrès organisé par le bureau politique du Modern Faloumana Africa a déjà l'avantage de s'être tenu au niveau du gouvernorat de la région de Dosso et en présence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des congressistes. Quoi qu'il en soit, le journal écrit que les prochains jours permettront de savoir si le Modern Falumana a oui ou non définitivement tourné la page de Noma Oumarou. Les angoisses de Hama Amadou, écrit à sa une la roue de l'histoire. Comme Hitler et Mussolini, les deux grands dictateurs que l'histoire n'est jamais connus, quand leur déchéance arriva, au lieu de se résoudre à affronter leur destin, ils ont jeté leurs généraux et leurs soldats avec l'arsenal militaire qui leur reste dans une ultime bataille. Hama Amadou, leader historique du modèle Faloumana, joue depuis quelques semaines le tout pour le tout. Depuis sa réapparition brutale sur la scène médiatique après sa sortie de la prison civile de Filingue. Hama Amadou, déchu dans l'affaire dite des bébés importés, ne cesse de prêcher le chaos. Il faut se réveiller, il faut lutter, il faut imposer à ce régime, a-t-il lancé à plusieurs reprises à l'endroit des militants de l'opposition à l'occasion du congrès d'investiture du candidat du parti Amen Amin. Le samedi 19 septembre, à l'occasion du congrès du Modène Faloumana, devant des milliers de militants et ses amis de la CAP 2021. Hama Amadou est encore revenu à la charge, s'apitoyant sur son sort et menaçant de faire basculer tout si jamais il n'est pas de la course au fauteuil présidentiel. Et comme pour encore enfoncer le clou, le mardi 22 septembre 2020, à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a organisée à Africa Hall, Amadou balançait sans souci et en réponse à la question d'un journaliste sur l'éventualité du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle que ce qui est arrivé au Mali va arriver au Niger. Un terrible aveu, selon le journal, sur ses souhaits pour le Niger ou sur ses intentions désormais avouées de voir le Niger sombrer dans l'inconnu. Attitude irresponsable, condamnable et suicidaire qui rappelle la chute des grands dictateurs qui estiment que rien ne peut se faire sans eux et quand leur déchéance arrive, il faut qu'ils emportent dans leur chute tout le monde. À la une toujours de la roue de l'histoire, élections régionales et municipales, plus qu'une semaine pour le dépôt des dossiers. Jour J-7 pour le dépôt des dossiers des candidatures pour les élections régionales et municipales en ce mardi 22 septembre 2020. C'est la course contre la montre au niveau des partis politiques qui veulent être au rendez-vous du scrutin du 13 décembre 2020 en respectant le deadline du plus que de nombreux partis politiques peinent à constituer les listes et les dossiers de leurs candidats à ces élections qu'ils ont voulu en premier lieu avant tout autre scrutin. Rattrapés par leur choix par rapport auquel ils ont exercé une pression sur la CENI, contrainte de modifier son chronogramme électoral pour satisfaire à leurs exigences. Certains partis politiques demandent aujourd'hui une rencontre à ce sujet afin d'examiner et de délibérer sur ces préoccupations essentielles de la vie politique au Niger. Puis, le journal Le Hérisson rapporte élection générale 2020-2021. C'est mal parti pour le MNCD. Quelle position occupera le parti de l'ex-président Tanja Mamadou Ali l'issue des prochaines compétitions électorales C'est la question que se posent de nombreux observateurs au regard de l'ampleur de la crise qui secoue le mouvement national pour la société de développement MNSD et Nassara. Ainsi donc, le congrès tenu à Niamey le 15 août dernier n'a en rien ramené la sérénité au sein de la famille Nassara, nous apprend le journal. Bien au contraire, les choses semblent s'empirer. À la lutte de positionnement à l'interne des sections de Difatawa et Zender, ayant conduit à la mise en place des bureaux parallèles dans les dites structures locales est venue se greffer une crise de confiance généralisée. Tout d'abord, le journal écrit que ce sont les Amazones qui se sont ouvertement insurgés contre les agissements du président du parti à vouloir s'aborder le renouvellement de leur bureau, quand bien même les dames aux pantalons de fer ont tenu en leur sein une nouvelle direction avec une nouvelle patronne. Elles ont reproché à Seyni Oumarou de vouloir remettre en cause leur choix démocratique. Puis ce fut le tour d'un groupe de députés, membres du MNSD de s'indigner de la gouvernance du parti et d'apporter son soutien à Kadri Tijani, écarté de la course à sa propre succession au poste de secrétaire général national. Au niveau de Zender, Tawa, Maradi et Difa, il faut noter selon le journal que ce sont des coordinations dans leur ensemble qui ont boudé le congrès du 15 août dernier. C'est donc un MNSD Nassara empêtré dans dans une crise sans précédent qui se présentera aux élections générales 2020-2021. En politique toujours, le journal L'actualité rapporte le deuxième congrès du MPR Jamhouria. Son Excellence M. Albadi Bouba investi candidat à la présidentielle 2020-2021. Les militantes et militants du MPR Jamhouria, mouvement patriotique pour la République, se sont fortement mobilisés le samedi matin au palais du 29 juillet de Niamey pour le deuxième congrès de leur parti. En effet, selon le journal, le MPR Jamhouria est un parti politique nigérien très respectueux des valeurs socio Les assises de ce deuxième congrès de cette formation politique ont été l'occasion pour les présidents des sections, des coordinations, des sous-sections et des comités des bases, des structures de participation ainsi que l'ensemble des militants de placer leur confiance et leur soutien indéfectible au président investi pour la bataille électorale au nom du MPR Jamouria aux prochaines élections présidentielles. Au journal La Griffe de rapporter dans ses titres Kalbade Abouba retrouve la tête d'un présidentiable. C'est à l'unanimité que les délégués au congrès du MPR Jamouria ont soutenu la candidature de M. albadi Abouba à la prochaine élection présidentielle. Plusieurs jours avant le congrès, les différentes sections du parti s'étaient déjà exprimées en faveur de la candidature du président du MPR Jamouria. Cependant, jusqu'à la décision du congrès, beaucoup d'observateurs étaient sceptiques quant à la participation de M. albadi Abouba à la prochaine présidentielle. Ces observateurs se demandaient si le président du MPR Jamouria n'allait pas faire comme certains présidents des partis de la mouvance présidentielle en apportant son soutien au candidat du principal parti au pouvoir, M. Bazou Mohamed. Le scepticisme était d'autant plus grand chez ces observateurs qu'en 2016, M. Albadé Abouba ne s'était pas présenté à l'élection présidentielle, préférant soutenir la candidature de l'actuel président de la République, Issoufou Mahamadou. À l'époque, le nous rapporte que Michel Albadé Albouba avait publiquement déclaré ne pas avoir la tête d'un présidentiable. Aujourd'hui, l'homme semble avoir retrouvé cette tête en décidant de se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.